votre attention, s'il vous plaît. Nous allons procéder à la proclamation des résultats du BFM. Examen du PM, Centre Dominique section 2024. section 2024. Liste des candidats proposés. Au premier groupe. Numéro 133. 133. Mamadou Eliman número 93, El Hadji Mamadou Mbodj, c'est Dominique Sarr. Numéro 103, Numéro 101, Mamadou Ndiaye, Saint-Dominique Numéro 121, Zainabou Bouy, Saint-Dominique Sarr. Numéro 60, Fatou Dramé, Saint-Dominique Sarr. Numéro 24, Mohamed Dien. Groupe scolaire Maman Numéro 116, Com. numero 2. numéro 15 Mohamed Zilor Diakhaté Sër Dominique Sarr numéro 154 numéro Anthony Gomes, capital Libro. Número Salvador, Morgan Sen, Gurus Karamunde. Número Salvador, Bimber Sen, Gurus Karamunde. Número Benson, Sophia B. John, Sen Dominic Sar. Número Saka, Michel Terez Ndiaye, Sen Dominic Sar. Número

ñoo ko déggandoo feerale si léegi dañuy dem si ñi nga xam te ne ñoo admi ñoom ñoom ñoo admissible au deuxième tour 苦しかれ Bruxelles Mandé numéro final liste pour centre bi ñuy wax CM euh, Dominique Sarr résultat bi famille ñoo nekkoon noonu donc ñi nga xamante ne ni euh, amuñ yàlla tuddul seen tur waaw ñu ñu xaarandi ba déwén nag gën a defar waat gën a gën a nekkaat si si euh, affaire ñi nga xamante ne yàlla tudd na ñoom dafis ñoon di ñaanal ba BFM bi jig leen ñi nga xamante ne nag dem nañ deuxième tour ñu dem aussi jàngi seen leçon yi vite fait parce que yàggul daal ñu dóoraat seen deuxième tour